chef Aïda. Yay chef tu sais birker, axe ak chef Aïda. Vitalis, le soin des stars. Biocarotte, pour un teint éclatant de beauté. Sivop. ni au Sénégal yu bari mangi ngi taamu l'écran ndax nak moy garantie meu nak pire bu am juróom-ñetti ferñeent l'écran firnde mbëggeel bi gëna Orange Money pexe yi ñëpp la 144 dièse Miriam yombal seen dund taamu Orange Money Orange Money d'al, ku ko xas Orange. De la magie dans vos oreilles. Avec la toute nouvelle version de l'écouteur sans fil d'Apple AirPods Pro disponible chez Baobab Hightech. Djinedine Ndiaye kenn du ko lam Goras Boutique, all types of latest textile in Gambia. Goras Boutique moi bon. pasta au bout du Warga Mamjara Magico Magico feu magique des dindi microbe Amne parfumé Amne citron les couches tigino, doux comme un bisou. Planète. Japal, ce planète fièrement produit au Sénégal. Linger, Tamate Chosan. Diwan Décor, votre personnalité devient un style. Mbaye et frères vous satisfaire dans la perfection. Fêtez les 15 ans de Carlodi au Novotel autour d'un dîner-concert ce samedi 14 décembre. Novotel du khan. Régisen vous offre la visibilité. L'RL.net, ay Bar ci tangue-tangue. bi leeral.net ay xibaar yu you Sobel Kitchen, la garantie d'une qualité et d'une exigence à toute épreuve. Je concours Invents Dawlin leen dem jënd son téléphone Invents ci FIDAK 2019 ku jënd ben téléphone ñu may la benen. ba paré yemul fofu. Sa bo jëndé ben téléphone di nga de tirage bu am chaque semaine pour gagner ay lot yu dul jeex téléviseur tablette téléphone ak yeneen i ngañaay Invents dal moy suñu àndandoo si fin d'année bi. Sen Gold une nouvelle vision de la bijouterie. Unibella bifi indi mèche AB Africa Outsourcing, plateau de bureau et salle de réunion aménagée. Wokala. NSUP, Excellence, Entrepreneuriat, Leadership. Radio Live 45, votre radio mobile. GMC, Groupe Mediacom. Au bonheur du jour, envoyez des fleurs, offrez du bonheur. MF Corp, votre groupe d'investisseurs pour un Sénégal émergent. Édition limitée, faites de votre événement une édition limitée. nigora Music Group, leader dans la production musicale. Le collectif des cadres de la diaspora organise la première édition des Diaspora Awards le vendredi 27 décembre au King Fat Palace primer les success stories de la diaspora. Sous le patronage de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, et de la Première Dame Madame Mariam Sall, et sous la présence effective de Monsieur le ministre Moïse secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, sous le parrainage de Monsieur Bougan Gaydani, PDG de Demedia, Monsieur Pape Marie PDG de African Leadership Group Colorado USA, Monsieur Ousmane Sissé, PDG de Sissé Contracting Service Atlanta, USA, Monsieur Abdou Aziz Ndiaye, PDG de ABC, Monsieur Mamadou Ndiaye, PDG de comptoir commercial Mangone, Monsieur Michel Claver Baya, président de l'université Amadou Ampatiba, Dakar, Madame Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental, marraine de l'événement, Madame Lenatal Faye, PDG de Delta Assainissement, Madame Daisali Jobjeng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre, Madame Nata Mbake, administratrice du Madame Kabahaidi Samake, le collectif vous invite à venir nombreux assister à cette soirée inédite animée par Pape Diouf, le leader de la génération consciente, et de nombreux artistes invités. Asolfo des Magic System, Côte d'Ivoire, Sidi Diabaté du Mali, Soulbang de Conakry, Buffet Garni, prix des places 50 000 francs, Infoline 77 540 59 41, 77 540 59 41. Complexe Sophia, l'univers de la beauté, l'expérience fait la différence. Eben Nils, la perfection jusqu'au bout des ongles. Versailles, exotique, custom fashion. Commandez votre costume africain en ligne sur www.keifaworld.com et faites-vous livrer partout dans le monde. Keifa, la mode autrement. Uelma Boutique, l'habilleur des VIP. Uelma, le prix s'oublie, la qualité reste. Uelma Boutique. Poté Marichou remercie ses partenaires Taifour, Evish Moda, Stilena, Eva Fashion, Sowan, Makasso, Zatafa Fashion, Mana Création, Univers des Chic 6.9, Sabador Couture, Betia Collection, sous le Issera La Lama Couture by Sonia, Eva Mama Boutique, Yudi Wax, Didi Watts, Munana Fashion, Adels Couture, Pino Fashion, Uli Cocotte, Neneaya, 6 Beauty Chic and Glamour, Relief by Maimuna, Glamour Shop by Far. université su ko defee ñu boole la ak moom sax. Marichou bàyyi rek ma dellu Saint-Louis ba ci kanam parce que gis naa ne fii nii dañ ñoo xeeb gëmuñu ni ñu mën nañu organiser événement bu toll nii jaay suñuy tableau bàyyi rek ñu reculer pour mieux sauter léegi daal yow ñaanal ma rek incha allah du yàgg ma ñëwaat. en tout cas daal gënaluma franchement ma sañoon sama wet rek ngay toog. non t'inquiète damay dem gën a préparer waat rek ñëwaat et franchement merci beaucoup pour le soutien. c'est normal. waaw baax na. man de yaa ma ëpp fit. kon yaa Pod daal nii ngeen nekkee ci bureau bi. te nee ngeen da ngeen di liggéey. Nabou man Pod mënumaa tere bañ a liggéey mais. Mel, hein Rien. Marichou, man maay wax ak yow Mel lan. non arrête d'insister dara. Mel lan Marichou la wax mais wax ma. j'ai peur de retomber amoureuse de lui. subhanallah. Ali Baba Koumanaar. cuur ki jam man sama wax du fanaan àll mais Marichou amo loy ragal parce que tu n'as jamais cessé de l'aimer. moom nga bëgg te il faut nga nangu loolu xam nga lan moo gën a bon ngay nax sa bopp te man xam naa ni Marodi soo ko jëndee pot moo tax donc su ñuy du fi liggéey xam nga man duma bett man nag man maay sa cousine te man maa la mën a wax dëgg c'est le moment nga génn ci lii avant que ça soit trop tard ji Mbay mii moom rek laa ci yërëm moom mi nga xamante ni moo ñëw takk jabaru jàmbur et je pense que mérité wul lii. Nabou mais man Alaaji moom mooy sama jëkkër. mais doo jabaram. waaye Alaaji Mbay tamit kenn demul mu des nga ñëw fekk jigéen buy soog a divorcé xamoo la la dund ak jëkkëram nga ñëw nga dugg ci moom waaye fii moom ku fi takk jabaru jàmbur loo ci goobe rek gar ko. Nabou c'est bon s'il te plaît. xamante nañ bu baax bàyyil di nax sa bopp. der lii lan la. vois, je nga gis continuer ci condition yi. Quelles condition ton incompétent de mari est en train de nous imposer une manière de travailler qui va nous mener direct à la perte te je suis naree di seetaan loolu fi je préfère partir. gis nga der soo je dem du je la téye yaa ngi dégg bu baax te mon incompétent de mari boobu ngay wax lépp la bàyyi pour ñëw jàppali ñu malgré qu'il voyage tout le temps. il est nul. waaw il est nul te liggéey ku yàq ak ku mënul. yow léegi loo bëgg. bu waxati dara sama liggéey. loolu mënul nekk gis nga moom tant que mi ngi fii nii ci ay waawam ngeen dox te képp ku mu neexul merci. dans ce cas. tey si je vous ai fait venir c'est parce qu'il faut que nous wax ci interview bi ngeen def. mais là, là, li ma wax neexu la. monsieur Noé, vous savez je ne suis pas content Avec nous mënti demee il y a une relation professionnelle bu am suñu diggante te tey je ne peux pas concevoir naka la biti mën a demee di def interview di wax ci vie privée loolu du et ça ne doit plus se reproduire. Déjà un petit rappel, monsieur Diop. Vous ne travaillez pas avec moi. Vous travaillez avec Sivop. Je représente notre égérie, pas le client. Ok. Je ne parle pas encore du client. Je suis venu et je veux vous parler. Parce que yo gère qui. Interview bien une barre aussi image. J'en ai discuté avec le client de toute façon. <laughs> Vous savez quoi Ils ont adoré. Je ne comprends pas votre inquiétude, monsieur Diop. <laughs> interview buzz la déjà que mënatuñu def interview au sein même de Media Perfect euh, vu les infos qui circulent des ragots Sibop n'était pas très rassuré à l'idée de lier son image à cette radio cette euh, opportunité de travailler avec cette société nous est comme tombée du ciel d'accord comme tombée du ciel vous savez pourquoi Sibop ne fait plus confiance à Media Perfect c'est parce que c'est Central Production eux-mêmes qui ont balancé ces infos sur mon frère. Oui, c'est eux qui ont raconté tous ces ragots dont vous parlez. Et sur le dos de mon frère. Et pourquoi Parce que Media Perfect est le concurrent numéro 1 de Central Production. Et c'est pour l'abattre qu'ils ont monté de toutes pièces toutes ces informations, que des mensonges. Aujourd'hui, notre intérêt, c'est de convaincre Simon et qu'il sache que tout ce qui s'est dit sur le dos de Media Perfect n'est que Écoutez, euh, je ne connaissais pas la situation avec Central Prod. Et puis, euh, encore moins qu'il faisait ce genre de, de choses. Essayez de convaincre le client. De mon côté, maintenant, j'ai mon pour euh, dire, toucher un mot en faveur de Media Perfect. Franchement, je compte énormément sur vous. Parce que vous savez, il s'agit de mon frère et je ne veux pas de conflit d'intérêts. Et je comprends votre position. Vous avez raison d'être prudent, monsieur Diop. Effectivement. Je pense qu'on se comprend. Bon, monsieur Diop, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Betty, on y va Non, je sais que je vais Monsieur Diop, bonne journée. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. À tout à l'heure. t'avertis et je ne badine pas que ça soit la dernière fois ngay dem ci média yi dafa tudd suñu vie privée wala sama famille. kon nous moo tax mère. Pour tuer mon sa mer yëngaluma xamuma lan moo ma yëngal. ok léegi mën naa régler situation bi ak si bopp mais si benn conditions. ben mijn invité Je refereert romantiek. romantique mais man ak yow rek alors loo si wax loolu kese nga d'accord c'est bon tànn restaurant bu la neex sa Momo est un homme digne, intègre. Et je suis la mieux placée pour savoir de quoi il est capable. Évidemment. C'est un homme qui s'est toujours battu pour préserver son image, qui est bien sûr la vitrine de Media Perfect. Mais il y a des gens mal intentionnés qui tentent de le détruire. Nous tenons alors à vous présenter nos excuses sur ces récentes informations qui sont montées de toutes pièces. Et je tiens à vous rassurer, il n'y aura aucun impact négatif sur votre marque notre équipe travaille activement pour éclairer cela. La vérité, c'est que mon frère dérange. Tout ceci a été manigancé pour manipuler l'opinion publique. Mais de toute façon, nous avons déjà fait notre enquête on sait qui est derrière tout ça. Ne vous inquiétez pas, Madame Diop. Nous vous réitérons toute notre confiance. Et puis, une vous êtes peut-être très puissant financièrement. Vous êtes peut-être très influent. Mais vos coups bas ne peuvent pas atteindre Media Perfect et encore moins Momo Diop. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est serein et imperturbable. De toute façon, tout ce qui l'intéresse, c'est le peuple. ndax Mais Diop, hormis ce que vous qualifiez comme de l'acharnement sur votre famille, pouvez-vous nier que Momo entretient une relation extra-conjugale avec la femme de son meilleur ami Ce n'est pas son meilleur ami. Et puis comme je vous ai déjà dit, tout ceci a été orchestré pour nuire à la voix du peuple. Je vous remercie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, Madame Diop.. je vous ai contacté moi-même parce que j'étais vraiment intéressé dans l'idée d'investir dans Media Parfait..! Mais euh, cependant, je ne doute pas de votre potentiel, ni de la crédibilité de Momo Diop, qui d'ailleurs, pour moi, est le meilleur dans ce qu'il fait. Il y a un petit souci cependant, pas bad buzz. Oui, mais monsieur Mbaye, je viens de vous dire que tout ceci est faux. C'est pas une question d'être faux ou de pas être faux, ça laisse des tâches et chacun y va de son interprétation. Écoutez, ça ne veut pas dire que je me retire du projet. Mais pour l'instant, je préfère patienter et laisser que les choses se tassent. Je vous comprends. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie de m'avoir reçu.

pour pourtant dama doon sol sa ay talons yu gudd waaye duma si mën a dox su ma ñëwee rek ñu dàqati ma. est-ce que xam nga man nekkoon naa mannequin. yow mi tante. waaw mais nag dama koo gëm rek moo tax yàlla fekk si ma te aw ma taay bi nag. waaw tante lu la jaral loolu may wër yow man mënumaa dox si talon tante doo ma jàppale. <laughs> Fatou amul benn problème dina la nekkon na man mannequin bu mag sax. ku ni ñu may tudd macha allah. loolu neex na de. ii torop mais dama am jëkkeur rek bay way bu def ne man de nga am jëkkeur rek bay de nga tante man dama talu sa ay jëkkeur bu fekke tonto tafa mi nga xamne daf may bipéré pour xaar ma rappelé ko guma ko de xalé yu góor yi ñàkk ko jëm yi nekk suñu koñ nag nga xamne ne ku ñu yàq la ñuy wër fo rek lañu bëgg te man damaa pareegu sax pour affaire sëy. Fatou ban tonto tafa. moy ki fi ñew di len sécé rek mom la de. ok. dafa ñàkk a xorom dafa bëgg di kakarato trop moom. paa du ma la ko pot say say la say say de première catégorie moy pot légui mënul tok ben bés té duggul sama bureau tante demb dafa bàyyi ba junior génn mu profitons dugg ci bi bureau bi bëgg fa lang waxtaan je l'ai fait exprès di dox ci booru bureau bi comme si dafa am lu moy seet fek fekk dara ba ma gisee il était choqué De fait, titre ba xamul lu muy def. te gis nga pas sama tan deful dara de lepp pot la rek moko top rek fat ko ko le ko comme la xam kan tan te gis nga li ram nak si ñak bi la jëm te bisu fa amé kër jur fa musiba exiger sama tan ci ba muy tel mu dak pot sino gis nga bu déssé fofu billahi di nga am lo metti gis nga lool sa tànt du ko musa def ndax lan gis nga pot lu leer mo koy jëlé fofu te lool fenen lay joggé fan nonu loolu sama mbir la yow li ma la sant defal ma loolu rek nga yem ci. si Pa nag Pa dil day mat man mënoo ma jox mission ma koy doxal nu mu waree ba pare nga may wax lii di ma nëbb leneen danga may wax man tam ma xam. bés bu sottee di ci xam dara yow fexeel ba ñoom li ñuy wax nga déglu ko loolu laa la sant. d'accord baax na dinaa ko gérer. asalaamaaleykum. waaleykum salaam ah waaw yow Fatou Fatou Fatou ah noonu lañ mel. ma la bébé danga dul oo. kon na nga xaar man ma woo la. ah waaye ba nga ñax ah. soo bébé ba nga dara jotu la. ah waaw bàyyi dama de ah waaw su dee dee ma woo yow tamit nag ah waaw dee ma woo nag. waaw waaw gis nga de topp kalaandoo yi rek. asalaamaaleykum. My boy, waaye eh, baa ngi nii. Ah. alaaj Moustapha alaaj na nga def. Malaysia gis nga li ma doon wax ci booy baa ngi nii. ne woon naa tudd ko lama banaan la. waaye gis nga lama pop bi nga tuddee ah waaw. dana def nag. ça va bien ça va bien gën naa laa gis. waaye su naa def. ah waaye yow daal moom tuddoo ma sax woo. ay waay bul wax loolu. ah dégg nga ya, mosal appel waay. bul wax loolu waaye ngi yegg ci waañ bi tey. ah yaa nga ca waañ day su. ah man la ñu. comme waay. te xam naa man maa ngi ñëw dem ah. da dem waaw. parce que dafa am lu ma war a récupérer juste à côté. waaw toog sax xaar añ. xamante nañ de añ bi saf na de toogal. wax na dëgg mais damay bañ a toog yow xam na ni bu ma añee fa ma nelaw. <laughs> nelaw rek ngay def. suba dama war a xëy 8h dem bureau. <laughs> waaw ça va monsieur Faye ok ok on fait comme ça allez au revoir.

Mansour lii neex na di lii lan la. Ah, yéen a ko moom. Ah? lii mooy tey maam Diarra. Ah, uh-huh. ah waaw lii day xam naa ni jeeg bu koy xiimee rek yor nga jikkoog maam Diarra <laughs> man daal yaay sama xarit te ñee it wax naa leen ko nee naa leen suuf bébé uh-huh. mooy sama tipo moom laa bëgg moom laa yëg. loolu moom yàlla def na ko ba pare. ah waaw laa yokkee dara de. <laughs> ko def Alaaji ngi <laughs> saa waay gëj na la gis. yaa ngi ci de. maa ngi ci jàmm ah, bu bari ya. waye nak wuyuma hmm. sama sama sama. Hmm. lis mbiis bi. Hmm. ay wax ci way momit damay bippe rek te du wota loolu loolu tamit doxalul ab diggante. way iya, yow tam mustafa bippe pour lan. ah pour ñam batam ci téléphone bi de. déedéet moom bippe moom warul. gis nga xalé yi. hmm bo len di labat. da nga len di wan man duma xalé xale. la da nga len di teral. ci ak fulla ak fayda. ak caractère. dëgg la bu mat seuk bu dor bu saga hmm te wax ji bu mu bàyyi nonu lañ leen di yoré yerna xana xamone ñun lañuy wër deug la <laughs> ay waa waji xam nga yow yow mom yow yow yaay àjjana ñàkk laa farakante worul man man man man lii moo tax su bébé man man cham <laughs> ah hey, bi sa way xullee ba ba ñak ko la xamni ni dee na bu loolu weesoo <laughs> waaw eh, sa jarbaat boobu nga tuddu léegi kan nga pot ba pot waaw. waaw mu defati. est-ce que xam nga ni léegi mook mari ñooy liggéey. Ah. yamul ci loolu dafay commencer di ñëw kër ga ay guddi. di hmm. seet si ay doomam. Hmm. waxatuma dara dafay influencer Marie. Hmm. pour mu jël ay doomam di ko ko indil ba këram. déedéet waay est-ce que yaakaar nga ne loolu mun na nekk. loolu laa taxara boo zinaa gi la fàtte. Eh? dafa fàtte laa taxara boo zinaa. <clears throat> ma yëgal la benn mbir pot ni ma ko xamee ëpp na man maa ko ngénte. xam naa ko ci ñetti yi ma lay bëgg a wax ba gën a jigéen ndax bi ñu koy ngénte mu ngi piis ki koy wat bi ci topp pédophilie la beneen bi nu tudd tudd obsédé ñetti yooyu la boole ci boppam bi nga xam ne nag moo ca gën a bon te mu nekk jukkoom jukko asiye la yor bu xasee ni ñàpp du bàyyi du bàyyi de yooyu nag bu amee ci sa digganteeg nit prudence visi mm. vigilance waaye nag na sa xel dal ndax su bébé mi xam naa ko ci am fulla xam naa ko ci fayda xam naa ko ci am jom ak pot xam na ko doful dara jotu ko pot xam na kuy su bébé en tout cas doy na waar euh, hmm. wax mu dem ci kaw hmm. que soxna Marie laay bañ jot hmm, yow daal sa xel na sedd dinaa ko dox à ma manière mm. à ma façon ba mu ni kocc ni kororoj fot yebu ma dama koy dox yow ci loolu waaye nag su bébé am na fu la loolu moom bu ci bu on a naka la on a vision de fa pas waaw madame si ñu defaral la man juste un défrisage rek pour que mes cheveux soient lisses et gis nga pot mën na mun ku nekk mais man amul sago ci man munu ma mun baadu yaay seytaane mais wax nga ko kon mi naam est ce que seetaan nga émission béti bi émission no ban si non non man da xale boobu laa bëgg hmm. ak capable te am fit beti de nee mom moy mooy seytaane pot béti rek hmm. ak wolu boppam man de mom laa gëm pot mi patron la woon mu tëddee ko fexe ba mu takk ko puus yeneen jabaram yu sàggani fële. moom de li mu wax am na fu mu ko teg te soo xoolee léegi ñu delluwaat de. chéri doon jabar ju sàggan de moo gën nekk jigéen buy topp ci jëkkëru jàmbur te bu la neexee nga gëm bëti nag ndaxte ku la gis xam ne yéen ñaar a yem. arrête d'être pessimiste. Non, dama koy gérer. Tiens, tu tombes à pied, toi. Ah bon J'avais demandé à Z de faire une enquête sur Central Production pour Guinée. Alors Figure-toi que c'est une personne que tu connais et que je t'ai moi-même fait rencontrer. C'est qui Baba Kanya. L'homme d'affaires Lui-même Non, l'homme Mounonek. Les vos actrices préférées sont habillées par Versailles. Sarah monsieur. Vous rentrez déjà Oui. Il se fait tard et il y a mon fils qui a besoin de sa maman. Ah, je comprends. Par contre, Sarah, j'ai une question à vous poser. Oui pourquoi m'a fait semblant de, de, ne pas connaître Momo lors de l'interview Et pourtant, dans les médias, dans la presse, il se susurre que vous avez des relations assez intimes. C'est vrai. Je suis vraiment désolée, monsieur, car ce n'était vraiment pas mon but de vous mentir. C'est juste que j'étais arrivée à un moment de ma vie qui était assez difficile et je ne pourrais pas me rappeler de cette mauvaise passe. C'est la raison pour laquelle j'ai réagi de la sorte. Ok, je comprends. Pour en arriver à ce stade, il a dû vous blesser profondément. Hein. Vous lui en voulez toujours J'ai une proposition à vous faire. Pouvez vous asseoir une minute, s'il vous plaît Sarah de liguer avec Baba Karnia. Monolen me Sarah est de mèche avec Central Production. Ça, y a moyen de le savoir. Et comment bah, Figure-toi que j'ai vu Sarah. Elle m'a fait comprendre qu'elle est éperdument amoureuse de toi. Donc, elle s'en c'est mon monde. Alors, fais ce que tu veux. Amuse-toi, prends du plaisir. Mais fais en sorte qu'elle mette la pression à cet homme d'affaires. Parce qu'au cas où tu ne le saurais pas, c'est un proche collaborateur du ministre qui doit nous délivrer notre licence. Mais man, je m'en torche le cul ou mou. Yo, pour yo, dina nek fi di jay sama ngor di tromper sama jabar pour une histoire de licence. arrête je suis au courant de tout xam nga fan nga commencé jaay sa ngor mais nga commencé génn ak Sarah. je pense que vous avez dû vous sentir euh, très très mal du fait qu'il ait choisi cette femme plutôt que vous. Que diriez-vous de lui renvoyer l'ascenseur Comment ça il suffit d'être proche de lui. Ça, c'est très facile. Quand je dis qu'il suffit d'être proche de lui, c'est que je veux que vous soyez mes yeux et mes oreilles. Je veux tout savoir. Ses tractations et surtout son projet de faire satellite. C'est quoi ce deal Qu'est-ce que vous avez gagné..? Moi Oh, j'y gagne rien. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est vous, ce que vous y gagnez. Et qu'est-ce que j'y gagne Je m'assurerai à ce que vous et votre fils, vous soyez à l'abri de tout, tout besoin. Et ça, jusqu'à la fin de vos jours. Et puis, de toute façon, Sarah, je vous connais, je vous connais très très bien rassurez-vous, de par les renseignements généraux. En plus, ce dont je suis convaincu, c'est que Dara te Woula. Momo, c'est moi qui te parle. Et plus, c'est même plus une question de licence simplement, c'est une question de famille. Momo, dis-moi, sans papa, on arrive à quoi Absolument rien du tout. héritage Et pote qui a perdu Marodi en plus de ça.

Je suis vraiment désolée. Écoutez, écoutez, écoutez, écoutez. Sarah, vous n'êtes pas obligée de me reprendre maintenant. Quand on vous fait en général une telle proposition, il faut prendre le temps de réfléchir. Je vous conseille de réfléchir. Bon, on ne va pas faire attendre votre fils. À demain, Sarah. Nous xam ne mel nga ni <laughs> être mi-ange mi-démon ça nous connaît dans cette famille Momo arrête di mais là li yeb yañu alors fais ce que tu as à faire c'est tout. D'ailleurs, le plan commence ce soir. C'est l'anniversaire de son fils, alors ça te fera un alibi pour aller la voir. Et n'oublie pas qu'il adore les peluches je n'ai jamais connu ton comportement machiavélique. Momo, je me suis battue pour avoir cette licence. Mais jusqu'à présent, j'y suis pas arrivée. Alors fais ta part. Bonne nuit, frère. yow da ngay seen waaye yow fan nga jëm heure bii sax li rendez-vous ak junior. rendez-vous ak junior booy yu baat danga commencé nopp junior lii moom bul fàtte ne dil kase la. junior fan lay jaar ba ma nopp ko. amul cas bopp bi dara nekku ci lan laa koy doye bu dul woon ak li mu nekk marodi sama parfum sax du ko xeeñ yow ñàkk kersa nag de waaw wuy ma foog nga mise à jour ma nag tey lan moo xewoon Phoenix <laughs> Phoenix de toj na rajax toj yéen seen foofu lan moo ko toj lu fa xewoon <laughs> Eva daf ñu ko yomb yombalal depuis jëkkër ji ñëw ba léegi tout va travers loo ci yëgul deex dem na tey ci suba démissionnaire baax na si kon de Eva jomi na fum tolu ni instant yi de tok na ba nga jaaxle. amoon ko Eva dafa eppal pour mom mom mom nit ñi nap nit ñi gëna mus nit ñi lolu pour lan la instant yi nak likay gëna gën ci adinam gën ko metti moy jini jinjer bi muy ñàkk deer dellu marodi fofu la scandale bi di gëna amé nak en tout cas daal Phénix sans der imagine limu la mëna xamal dal comme on dit lo bëgg yalla na jamm ma tegal la ci yow loo bëgg même bu dul baax na maa nabu nag maa ngi door a jug pour lijjanti sa kaa lii nag du dara dama lay nuyu rekk nga xam ne dëgg ale boo gis rekk am na retour. bien passé et aussi vite, dina Des fois, c'est dans les difficultés qu'on arrive à la réussite. des projets bi là là Merci mon cœur. Tu es vraiment adorable. Je peux te poser une question? Oui, vas-y ce tableau bi ñu bëggoon a jaay aux enchères c'est vrai que Betty moo la inspiré woon. Elle a publié ça sur son compte Instagram. universelle, man. Book. champion. Ça va les enfants Oui. Vous allez bien Allô, allô J'écoute. Allô, allô J'écoute. Allô, allô J'écoute. Bravo. Vous savez ce qu'on va faire On va aider champion à ouvrir son cadeau d'anniversaire, d'accord Qui devine ce qu'il y a dedans ah C'est ça. Donc on va compter jusqu'à 3 et puis il va ouvrir. Une, deux, Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, doucement, doucement, doucement. j'ai trouvé. Ouais. Tu aimes ça Tu aimes Non, j'aime bien ça. Alors, vous avez mangé ou pas Merci. Vous n'avez pas encore mangé Oui. Bah, servez-vous, tout le monde. Youpi, c'est la fête, non Tout le monde se sert. Yeah Qui veut du jus Moi Moi Moi, je veux ce... Tu veux celui-là Là boue. Je t'ai jamais caché que j'étais fou amoureux de Betty. Elle a bouleversé toute ma vie. Elle m'a fait aimer la peinture. Elle m'a inspiré. J'étais capable de la dessiner en ayant les yeux. Dwayne, ah, je ne veux plus rien entendre. Ça suffit. Max, depuis le début de notre relation, j'ai été claire avec toi. je ne sais pas si temps suis may perdre ci ay relations yi ñàkk fayda moo tax ne la man ak yow suis ñu am dara lu ñuy nëbbante am je yoo ne bëgguma génn ci mbedd mi di surtout venant de Betty je suis son pire ennemi li mu je atteindre ma te que veux-tu que je te dise hein? je veux tout savoir tout. ok tu veux tout savoir d'accord bon je vais tout te dire et j'espère juste juste que tu es prête à entendre que j'étais en drogué. <laughs> oui j'étais en drogué d'abord. ma vie était complètement foutue. Ma famille m'a délaissé. Ils m'ont foutu dehors. Mes parents m'ont renié. J'avais plus personne. Lui, elles m'ont foutu dehors. J'ai sombré dans la drogue, dans l'alcool. J'avais plus personne. J'ai fait deux ans de tôle, Nabo. Un seul être, je dis bien un seul, a cru en moi et c'était ma tante. Elle n'arrêtait pas de me répéter, de croire en moi que je vais m'en sortir un jour et de reprendre ma vie à zéro. Et c'est ce que j'espérais avec toi, pour qu'on puisse construire quelque chose de solide. Donc, penses-tu vraiment que j'ai envie de repenser à ces mauvais souvenirs qui me hantent tous les jours excuse-moi. Pardonne-moi, je ne savais pas tout ça. Wahbi, d'autres. dootuñ ci waxaat soo insisté. insister c'est parce que je xam Betty xam ni instant elle fera tout son possible pour nous perturber mais je veux que tu saches juste une chose Je ne vais pas abandonner jamais